amis jeunes, bonjour hein. tous à la FADA, votre émission hebdomadaire consacrée à la jeunesse. Le studio Kalangoute qui Sarafama, Matassa, Niger. Vous l'avez compris, la FADA, elle bouge tout le temps et partout où on passe. Din da muka dorata, muna zance de Matassa Mugani, mu ke damun su yau mun la cité de Jarmakoy Adosso, avec des jeunes et certaines autorités de la ville pour parler d'un sujet plus ou moins délicat le banditisme récurrent dans la ville de Rosso. Et eh oui, nos recherches, euh, nos discussions avec les jeunes de cette ville euh, nous démontrent un phénomène en passe de devenir un fléau. C'est un peu partout au Niger car on assiste de plus en plus à des scènes de grand banditisme digne d'un film d'action un peu partout sur le territoire. Mais ici à rosso Miguel Faroua vraiment, qu'est-ce qu'ils commettent vraiment comme acte Nous avons comme invité dans cette fada M. Idrissa Abdou, Adamou, il est le secrétaire général de la mairie de la ville de Dosso. Est-ce SG, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien Ça va très bien. Super. Omar Hassan, il est de la société civile. Omar, kanalahia. Ah, alhamdulillah, Allah. To, mungodi. Mungodi, Allah, ça va bien. Voilà. Mounarukuma, Ali Seydou il est le président du conseil régional des jeunes. Chine, président Kinjon, Indosso. Président. Mounalahia. Oh, oui, ça va. Ok. Donc, et nous sommes à la MJC de Dosso. Yo, MJC in Dosso. Nagarbaloga. faire dora faratam. Difficile de se détendre en azanchan kacha caché de Weni, kwacha kwachan kaya. Mais comme il n'y a pas de fada sans musique, nous aurons de la musique. Chikwana faratam. Tayo. kuma zamu samu wani rahoton mutanen doso da suka gai ra'ayinsu bisa kan wannan annobar da ke damun su et nous conclurons avec la chronique d'Olivier le maître notre maître des infos et du buzz sur le net. Dans une de nos fadas, ici même à Dosso, des conducteurs de Kabu Kabu, Sungaya Muna, wani kashe-kashe da suke fuskanta a cikin mutanensu a cikin abokansu da ake yi da wani kwace-kwacen motuna des cas d'agression et de vol Écoutons ce Vox Pop, certains de Soleil réagissent sur cette question. La fois dernière, j'ai entendu qu'on a tiré quelqu'un comme mouton. Ils ont égorgé l'enfant, ils ont pris sa moto, ils ont enlevé sa portable et partir. C'est le chômage. Une fois que la personne n'a pas de quoi faire, il est là en train de regarder, il n'a pas de boulot, ça amène toujours les dégâts. kuma ko ya wi wallahi to wannan kuma sai dai a ce tsautsayi na ko kaddara tunda da yake mutane suna suna yi kullun kuma ba kullun abun yake faruwa ba sai dai ran da rana ya baci na eh lalle kwarai ne akwai su eh akwai su amma yan rana ya baci na mutum yana daidai da su ne amma dai ko farta jom bo zambar wai hin zanago ima taniga imini wi dindi da ni woto kuli mil bani buno idira to anni deno kam bora hau bora siba goy zambor kul kan ba goy hankan wa dai simonji

une portion d'information sur la délinquance, si je peux le dire ainsi. Hmm. C'est vrai, c'est réel, parce qu'on a assisté à certaines tueries sur l'étendue de la région, ça c'est vrai. Et ces actes, nous pouvons dire que c'est vraiment lié au chômage. Hmm. La jeunesse n'est pas prise en compte totalement au niveau de la commune. Nous pensons que le chômage est vraiment la cause principale de, de, de, ces, de ces actes indésirables. Hmm. kenan akwai su ana kashe-kashe ana kwace-kwacen an sj to na société civile yanzu gashi nan kun ji wannan magana da aka yi mhm. an ce ana kashe-kashe an ce ana kuma sj ya ce shomaji ne mhm. kai ya kace bisa ka wannan abu to ni ra'ayin da zani badawa bisa wannan abu lalle abun da muke ji yanzu gaskiya ne don ban samu rahoto cikakke ba amma ko da ko jiya il paraît que dans les informations qui circulent que j'ai pas vérifié mhm. un a été posé wani dan kawo kawo da nake ji ban samu verification ba na mm, abun baka mm. samu tabbacin shi ba ka magana shi mm. amma rien que hier nuit il que un, un conducteur de moto taxi a été eh, froidement assassiné donc abu ne wanda yana gaskiya ke gaskiya amma ana iya zaton cewa wanda SJ gai ne akwai talauci da matasa ba su da abun yi ba su da aikin yi san ko mutum yau duniya inda mutaka yau in baka da aikin yi ba abin da ba ka ba abin da ba ka yi tun daga abubuwa kana gani kana so ba ka da abun da kake iya sawa ka same shi kenan sai ka abu sai rayuwa sai ta taranka et tu es capable d'assassiner pour un rien du tout parce que tu n'as pas les moyens pour t'en procurer certains besoins hmm. donc ni ina zaton wadda gai gaskiya ne gaskiya ne akwai shi mu tun da dai har ka moto taxi ga shigo shigo garin ga ya kamu da wani sabon tashin hankali da kowa dai wanda babu wanda ka tambaya da zagya maka kawai motar ne ake so a oh, kwaci mota a kwamishin moto kuma a kashe ka shikenan kai hasara mutanen sun yi hasara president ali saidu to kai president kin matasa muke faruwa wai lahiya wannan garin hmm, bon eh, merci beaucoup donc euh, je ne peux tapier en tout cas les deux intervenants, c'est vraiment une réalité, en tout cas ces cas d'attaque, ces cas de, banditisme-là. Parce que rien qu'hier, même euh, moi j'étais à la FADA sur le goudron, là, on a, vu la, on a la police, le gouverneur et les gens de Kabou Kabou sont en train de faire des va-et-vient. On, nous a dit que c'était un cas de meurtre, en tout cas pour un conducteur qui a été attaqué sur la route. Et c'est des cas aussi répétitifs parce que rien que l'année passée, en tout cas plus de, euh, pour ne pas trop dire, de 10 cas. 10 cas. Et c'est dans ce genre de moment, le moment des vacances. Et souvent, on peut dire, euh, c'est vrai, c'est dit, en tout cas, euh, parce que la ville est en train de, de grandir et il y a des étrangers qui viennent de temps, de temps en temps. Et la principale cause, c'est le chômage. C'est le chômage parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, en tout cas, est, trop orgueilleuse. Si, si un jeune voit, par exemple, un autre jeune qui est aisé, qui a une moto neuve, donc lui, son, tout son rêve, c'est d'avoir par n'importe quel moyen. Donc quand on parle de banditisme à Dosso, il faut s'attendre à quoi il y a des agressions, c'est des vols, c'est des braquages, c'est quoi Oh, le banditisme, oui madame, le banditisme en général, ça, ça se définit sur, plusieurs formes. On vient de citer les cas de meurtre. Il y a, aussi les cas de, de flagrant où les jeunes arrachent les portables dans les mains des uns et des autres. Il y a aussi les agressions. Vous comprenez et donc le banditisme, si on essaie de le définir, il y a plusieurs formes de banditisme. Oui, mais ici à Dosso, c'est quoi la spécialité des jeunes Dans quoi ils se mettent Bon, les jeunes, généralement, comme on vient de le citer, le premier cas, pour hmm. les cas de Kabou. Deuxième cas, il y a les circuits portables. Parce que vous savez, aujourd'hui, le portable est devenu comme un luxe où chacun, surtout au niveau des jeunes, chacun voulait s'en procurer. Et si le jeune n'a pas un job qui lui permet de se procurer un supportable, il est évident qu'il passe par tous les mains, comme vient de le dire le président des jeunes, pour s'en hmm. procurer. Donc, si les moyens ne sont pas là, si on se fixe un objectif, soit disant que pour tous les mois, il me faut m'en procurer un portable Android. Dole, donc ça veut dire qu'il faut passer par certains actes. Et ces actes-là, c'est ceux qui se définissent par le banditisme. Hmm. Oui, c'est ce que je peux apporter. Ok. Donc, Omar Hassan, vous avez une société civile qui nous dosso. Yanzu, cikin partant de irin wanga kakin Comment kuke ji. Mhm. Kamar an da SJ akwai sace-sace da ake da mine ne kuka ji kuma bancin wannan mine ne kuma ke da kwai ne matasan ga suke hallo bancin wannan to kin san shi abu ko ana yin shi wata rana wanda kake ji mm. da shi dai kake aiki da shi dai kake aiki ba shino akwai abubuwa na asha da yawa da ake yi kuma mm. abun da ke bata mun rai ya zamanto c'est lié au jeunes c'est-à-dire c'est des pratiques que souvent chaque fois à 90% ce sont des pratiques causées par des jeunes. Ouais. Cela traduit un malaise social. waye kina mhm. akwai matsaloli da ya kamata a duba nau'in ga matasa parce que il faut que y a bai da akwai sace on a vu dans des quartiers où on opère à 10 heures ka huta ka ta aiki da kai da mataka kun ta aiki kun liƙe gida haka ka aka iske c'est tout ça aussi c'est un phénomène nouveau c'est un phénomène nouveau à viens, Il n'y a plus rien dans la maison. Oui, c'est un phénomène nouveau. Maintenant, quand tu, les gens partent au travail avec l'inquiétude que c'est pas évident de trouver ta maison telle que tu l'avais laissée. Ah Donc Wanda, ma wanda yo in an ya un nouveau phénomène de voir fara shigowa cikin parce que wanda Ghezoa, tranquillement à 10 heures il casse il rentre regardez In, in Comment de mutane tout autour. tout autour, les gens sont là, il n'y a, pas de réaction. Vous voyez, là, c'est tellement, c'est tellement inquiétant où le phénomène commence même à inquiéter, même plus que les meurtres. Oui, il y a un gros Parce que là, si on peut, un, voleur peut se permettre de venir poser un acte à 10 heures. Ça veut dire que quelque part, la population aussi, on en reviendra. qu'est-ce qu'il y a? il a. akwai matsala to yanzu kai président kin jeune. kaji jeune, ce qui est posé Comment ganin ka jusqu'où Satan à aller ça là parce que vraiment ce qu'il vient de soulever c'est global toi tu as plus de tu vois globalement les gens, tu es tout le temps avec les jeunes. Dis-nous la tendance là, à ce rythme là, on va où là en tout cas, euh, ça prend de temps en temps, en tout cas, une grande ampleur parce que euh, c'est des cas répétitifs et malheureusement, à chaque, à chaque instant, c'est-à-dire euh, à chaque moment, c'est les mêmes cas qui se répètent et c'est les mêmes moments aussi. donc, au-delà du banditisme, c'est qu'on peut ajouter il y a la consommation des aussi qui contribue mhm. également euh, dans ce fléau-là. Donc vraiment, là, c'est la plupart des problèmes, c'est au niveau de la jeunesse. C'est vrai, il y a certains jeunes, parce que la plupart sont des mineurs. Si on prend la plupart des déviants là, c'est-à-dire les jeunes de la rue là, ce sont des mineurs et c'est eux qui vraiment, qui, en tout cas, qui, qui causent des malheurs à d'autres. Surtout quand vous prenez par exemple les, quartiers périphériques, là, les, nouveaux, hmm. nouvelles quartiers, là, par exemple les cités eh. Voilà, c'est là où, en tout cas, il y a trop de, de genres de cas de vols. Aujourd'hui, vous, ne faites pas du ruit dans la, dans la ville sans de sur sans, sans, sans, tomber Et c'est des, des, enfants deviennent là qui, qui causent tout ça. Et dans les nuits aussi, si vous circulez par exemple à 23h ou mm. plus tard 23h, vous allez les voir. C'est des fadas aussi. Hein. C'est des fadas aussi. Président, ça là, c'est tellement sérieux qu'on va revenir après. <laughs> Vraiment ces questions. Vraiment les horaires à éviter parce que là, là il, faut en parler. quoi. Maintenant, nous avons des jeunes autour de nous. Omar, c'est le ah, ah, Omar, qu'est-ce qu'il faut nous goûter Bani. Voilà, le problème, c'est que les gens sont. Ils sont de sont o hay fo mugo na dum banda sanga par exemple élève quoi mm. comme sambune algérie en chine wala ngu fo nge wal côte d'ivoire en chine mm. élève da zumbo agin ko ko kon chikan chine do goifo mm. ben nango kawai ni so be goro ne ne kawai no élève ni ni sin ka kutti kawai hay kul ka dai emtenisi so imaginez voir on peut dire sanga ir parang e. sanga chajo kango ibon e abagum ko nim danji ba nim hanwa nim hay kul bana et puis nim isin wandi nim e kayo pinin bato min abi haifo portable tusa hallin ba mu wato yance kyola life ne mina ku da yano isi gitin sai ajin to yanzu umma an ga kenan ga gai in na gane mm. maka yanzu kawai matasa ne suna son salula suna son moto kuma uwaye ba su iya sai a shi ai ta kwaci kawai sai a shi ana kwato na wani kenan haka ne kawai a ba haka bane ba kamar ya dai kamata kai ma ka tashi tsaye da kanka kai kalima da kanka yawwa to kun ji an da wani matashi ya ce umar ya ce in kaga salula kana so kaga moto kana so ka teka irin wannan na gwara da yace su a can daga an yi vakansu kawai shikenan sai ka fara yi wani aiki ba wai tsaya za ka yi ba bakin <laughs> hanya kana kwace kwace tu es d'accord avec lui dis-moi ton nom moi je m'appelle Kalilou Sada je voulais dire les causes seulement mm -hmm. les causes c'est le manque de travail ah, le manque de travail. de travail il a même la jalousie si ton ami a, a quelque chose que toi tu n'as pas tu peux jalouser tu cherches forcément toi aussi à avoir ça. Et c'est ça qui, amène. Tu vas te mettre à voler. Mais sérieusement, Adosso, Aiki, Aiki, il n'y a, rien que vous pouvez entreprendre. Il n'y a vraiment rien à faire. Vraiment, vraiment, je peux dire là de travail. Mais c'est les jeunes qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas travailler. Oui, parce que la plupart des fadas, c'est forcément des bandits. Ah ouais Oui. Là, ce n'est plus <laughs> une affaire de chômage, c'est une affaire de mentalité. <laughs> Ok. Merci à vous. Voilà. Donc, euh, quand je cherche auditeurs, nous sommes avec les jeunes et les autorités de la ville de Dosso. Je vous rappelle que vous pouvez participer à la FADA. Vous pouvez également réagir et envoyer vos questions. Vous pouvez recevoir tous nos contenus en vous abonnant à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54. Nous marquons

Nous venons d'écouter Mozambiro de dernier. Ya izanchan. kai wannan da baka son ka tashi ka te kanye mana kanka. Kana nan sai dai ka meka hannu a baka a baka. Bisa kan shi ne. Dernier waka, wannan waka tashi ta Mozambiro. Retour sur votre émission Tous à la Fada avec nos invités, Monsieur Omar Hassan, il est de la société civile, Monsieur Idrissa Adamou, il est le secrétaire général de la mairie de la ville de Dosso. Ali Saïdou Yaye, il est le président des jeunes de Nous avons également avec nous une euh, dame. Rachida, présente-toi. Bonjour tout le monde. Je repose au nom de mademoiselle Haman Gadou Rachida. Voilà, Rachida, tu es dans une structure de jeunes aussi. Exactement. Donc, dans le Vox Pop, il parle des causes. Mais Sunizanche aussi, origine d'où ça vient. Kugaya muna, mine ne ya doso c'est quoi à la base de tout ça là? Oh, c'était comme ça ou c'est maintenant que ça a commencé? Bon, madame, je ne peux pas dire que Dosso était resté dans, ce, dans cette galère. Ouais. C'est un phénomène nouveau. Et si on se réfère, le système de, tuerie, c'est avec surtout l'avènement du taxi motocab. cab. Hmm. C'est surtout aussi lié aussi avec l'avènement de nos portables Android. Hmm. Et si on fait la part des choses, vu nos conditions sociales de nos jeunes, vu le manque de boulot au niveau de la ville, hmm. nous pouvons dire qu'il y, il y a déjà une incompatibilité sociale déjà. Quelqu'un qui n'a pas de job, il veut s'en procurer deux d'un portable, ou bien il veut coûte que coûte avoir une moto Cassia. Vraiment, il y a une incompatibilité dans la vie dans ce cas. Hmm. On peut dire que c'est ce qui a amené ce phénomène, ce fléau. Et ensemble, peut-être, nous aurons à réfléchir là-dessus, voir les voies et moyens pour pouvoir pallier à ce programme. C'est ce que je peux apporter. Merci, monsieur le SG. E-, voilà, c'était le SG. Là, nous revenons vers toi, Omar ou Hassan. Omar Hassan, qu'est-ce que yanzu ka hita ka liƙe ƙofar gidanka ka dawo ka ga an kwashe maka komi kamar an ka ga ɗazu wai mine ne ja mu da sonan annoban dama haka ne babu kwanciyar hankali ko yanzu ne to eh, ni a wannan ina kai ka ca ba ni ca da baske mu dosa muka tashi dosa muka girma dosa muka yi karatu har yau muka dawo muna aiki cikin doso kenan duk abun da a cikin ta muna aica mu ba da kuma sai fa luwanta eh, C'est pas lointain. Récemment, Dosso, c'est une cité calme, paisible. Ah ouais. Voilà. Donc ça, au moins, on est unanime hein. là-dessus. <laughs> Donc, abune wanda ba a non tun azalma akwai shi. Abune wanda ya soma tasowa bisa bisanga. Ce que j'accuse en premier, c'est l'éducation. On a tous mm. été des jeunes. Ouais, ouais, on a tous traversé le désert pour être là où nous sommes. Pourtant, on ne s'était pas laissé par le gain facile nous aussi on pouvait le faire. Ouais. Donc moi je pense que shi yaro tarbiya ce kamata a bashi ya zamanto ya gane da yau duniya babu Abunda Zaka samu banza sai Kawala. wahala matsalar da akwai yanzu shine ba a ba su tarbiya ya zamanto su gane ma rayuwar duniya da yau in kana son wani abu in kana son wani samu sai ka ka samu mhm. amma an saki yaro babu tarbiya ya huta ya je ta yi ya dawo ya da yake so ya kwandare ma ba a neme shi ba ke gane kenan akwai matsala to yanzu ka kai ali yanzu c'est carrément une démission des parents qu'est-ce que tu en penses les parents, la société ont démissionné sur ces jeunes-là. En tout cas, on peut dire que vraiment c'est une réalité parce que quand vous prenez par exemple le phénomène des fadas là, hmm. il y a des fadas qui font 24 heures sur 24, les jeunes sont dehors, et les parents ne, s'inquiètent pas de, leurs enfants. Jusqu'à ce qu'ici à Dosso, on a même des, on a même des, fadas de, des filles. On a des filles qui, sont comme des hommes dans la rue, qui, qui, font en tout cas ce que les, ce que les, hommes font. Prendre le aussi. Ah, ah. Voilà. Chucha aussi. voilà. Donc vraiment, c'est une question, c'est une question de mentalité et d'éducation parce que euh, c'est vrai, nos parents font de l'armée, mais la plupart aussi, en tout cas, font euh, fait fuir de leurs responsabilités. Ils démissionnent. Ils démissionnent, en tout cas, de, différentes charges qui sont sur eux, parce que euh, un enfant, au-delà, même si c'est un élève, après, après les cours, en tout cas, on doit les encadrer. On Il doit, y avoir un suivi. Un suivi permanent. bien. Tu es en contact avec les jeunes Exactement. de la région de Dosso. Oui. Tu es toi-même une fille. Oui. On vient de me parler de fada, des filles qui sont là dehors, apprendre la chicha, apprendre. Mais bon, c'est pas des fadas comme ça, hein. c'est vraiment des fadas, fada où on tue le temps, quoi. Mhm. Qu'est-ce que tu Dis-moi, dis-moi un peu plus sur ça, là. En tout cas, ce qu'il venait de dire là est plus qu'une réalité, hein, puisque c'est un phénomène qu'on est en train de voir qui, qui prend notamment de plus en plus de l'ampleur puisque c'est inquiétant de voir même les hommes, les garçons, les jeunes garçons qui n'ont rien à faire se, passent tout leur temps en train de poser le thé, prendre du chicha. Et, euh, rencontrer des trucs, je sais pas, faire des va-et-vient jusqu'à jusqu'à ce que les filles-là arrivent à le faire, à copier ce que font les garçons. Là, on peut dire que c'est vraiment déplorable. Donc, vous voyez, c'est vraiment déplorable. Là, ça fait partie même des cas euh, de fainéantise. Là, c'est vraiment à, à détester, c'est à bannir, voyez-vous. Oui, euh, Ousmane Hamani. Ousmane Oui, Tu as entendu ce qu'il vient de dire Oh, Vraiment Ça là, c'est chaud, hein Ya yi nuwa haya askarun da bine, amma hunkuna dirin wadda ne don da matkan kina iniki dano. Oh. on c'est vrai zankei igon tali, ama eh, tali bambata hairai gana go. Zamani sun tan, nisi kulan iwane tarbiya. zankaro ni gidi an fata za su bai kala wuce bu a gowin di mai gagoron bora a sika ga fulan kan fo wati din wani yan kul igini te fara ngai ni gidi igine kai ci imkan fulan zam zara mai hunkuna la plupart da ka banga fata za su bai hin hinno kan dafu ya dinga danga isi kulan da zankai inga no kan kalam to nan kan kalam to nan wannan gine dai in ka sai abu sai ka boye he da dare ka kawo garin ya kai haka nan to wajin igo ke gingi sala bo lalle ingo ane adi wajin me igo igman sa oh, iko igo igman mm. me bandi afon oh. music on parce peut, on peut venir à leçon en vacances, tout ça. zone il faut éviter et à quelle heure il ne faut pas sortir. c'est important de le dire. <laughs> Une autre pause musicale, cette fois-ci avec laisser le Kouma de Zao et MHT. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloirs au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. dans mon coin, ici l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée, c'est chaud. Pourquoi verbaliser, c'est chaud. L'ambiance est validée, c'est chaud. Le terrain chaud laisse-les parler. parle de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil, mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, mais c'est vrai, c'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mythe quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les jacter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je mange ça y est. Non, tu n'as pas idée. Pourquoi verbaliser C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain validé. Laisse-les parler. et eh, et eh, et eh, et Demain, on aura tapé. et Et et et et et. Et Laissez-les communs. Laissez-les parler. Laissez-les Voilà. Donc là, là, Zao MHD dit de laisser les Kuma, mais ça là, on peut pas laisser ce Kuma-là, on ne peut pas laisser. Il faut qu'on en parle, quoi. Il faut vraiment sortir les choses, là. De retour sur votre émission à la FADA, avec nos invités, Omar Hassan. Il est de la société civile, Idrissa Adamou, il est secrétaire général de la mairie de, de Dosso. Ali Seydouyaye, il est le président des jeunes de Dosso. Là, on commence à parler de quartiers qu'il faut éviter, là. SG, toi qui es avec les jeunes là, faut nous dire. <laughs> c'est quel quartier ne faut pas. moi, eh, je ne pense pas s'il y a un quartier à Dosso qu'il faut éviter. Eh, il n'y a pas des zones où c'est euh, zones rouge là. <coughs> bon, maintenant il n'y a pas parce que même les zones que nous pensons depuis que c'est des zones vraiment où le banditisme est trop développé, c'est vers euh, Bukoti, où hmm. c'était des quartiers un peu euh, des périphéries. Mais hmm. maintenant, avec, avec l'évolution de, de, la ville, et euh, chaque nuit, au moins, la police et les gardes et les gendarmeries oh, et la oh, gendarmerie sont, là pour assurer la patrouille. To, Omar Hassan, kaji, yanzu ana iya cewa to mu mun da suke ce mana ma bakin 21 sun shige gida sun liƙe. Yanzu ana iya cewa kawai a dosu kana iya hita kai yawonka 22h, 23h hankali kwance. To, eh ana yawo tun da dai eh, gari na gari ya zama to kowane lokaci ka sauka ai kana ganin mutane ko ba mm. a ca gari shi kenan kowa shige ventinar tun da ba wani eta diligence ba akwai ba komi ba mm. ya zama to dai abu ne wanda sai an fenomen urbain a gari da eh, president de jean gari yana girma dole ne wasu abubuwa su shigo shi mm. o oh, safke mutum kai da kasan rayuwarka kasan darajar rayuwarka kai za ka sanin harkokinka wanda za ka yi ya zamanto ka san lokacin da za ka harkokin naka Donc, bah, il y a eh, des quartiers ou bien il y a des heures ou parce que eh, à chaque heure que tu descends tu vas trouver un monde. Les gens sont là, ils, font, ils se vaquent à leurs occupations, il n'y a aucun problème. Mais il faut être prudent, parce que c'est cela. Qui est le maillot euh, Mahamadou Mansour. Mahamadou Mansour. Mansour Oui. Mahamadou, Ariangono, quand Dossel Warfata, c'est chaud. wallahi 2h 3h wallahi du bor fatta borgin kuban na bandiyan ya cine wal mo surtout bor borgo papor bon ya cine cin mm. bine boragin ku bor gay war ko woron ku ref ya cine filana mm. wallahi kenan karhe biyu zuwa karhe 2h 3h mutum <laughs> ka zama na gida ya maka bon c'est vrai que c'est un peu partout mais quand même akwai inda karhe biyu karhe uku kana ai kita ka yawo kwa to problème nous tirons tout doucement vers la fin de cette émission mais avant de se dire bye bye on va recevoir notre ami Olivier qui vient avec sa chronique c'est notre pro du web Salut à tous, dans la chronique de ce soir, parlons changement climatique avec ces inondations qui sévissent à Niamey. Les habitants n'ont plus l'esprit tranquille, ils dorment mais sans vraiment dormir, sachant qu'il y a un risque à côté et qu'à tout moment tu peux te trouver sous l'eau. Les habitants de Niamey ont goûté à la mer expérience du débordement des eaux du fleuve Niger. Plusieurs familles ont dû quitter leur maison comme vous pouvez l'entendre dans le son qui vient de passer. Pour l'occasion, des appels à l'aide sont lancés sur les réseaux sociaux par des volontaires et aussi certaines associations. Au total, 42 morts et près de 60 victimes. C'est le bilan des inondations dues aux fortes pluies et à la montée des eaux du fleuve Niger cette année. Bilan dressé le 3 septembre à Niamey par le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Où que vous soyez, que la solidarité nationale se manifeste afin que chaque Nigérien puisse bénéficier de nos générosités. Faites un don pour aider ses familles. Tournons la page des inondations et partons à présent à Agadez pour parler de la fête de Bianou, une fête authentiquement agadésienne que le sultan appelle à préserver. Ces derniers temps, nous avons tendance à voir nos nos jeunes frères, nos enfants, en train d'utiliser des choses telles que des mortiers, des choses pareilles. Alors que le Biadou est une fête authentique, authentiquement agadésienne. Bonne fête à nos amis de la région d'Agadez et retenez que la fête de la cure sarlé c'est cette année du 13 au 15 septembre à Ingal, une fête à connotation culturelle qui réunit les éleveurs de la région. Je vous quitte avec cette citation de Jean-Paul Sartre qui nous dit... L'essentiel, ce n'est pas ce qu'on a fait de vous, mais ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous. C'est avec cette citation, cher ami, que prend fin cette chronique et on se dit à la semaine prochaine. Mais avant tout, gardez cette date, le 28 septembre. On garde le suspense. Merci à Seni Issa qui a réalisé cette chronique. C'est la fin de cette fada. Nous étions à la MJC, Garbaloga de Dosso, avec des jeunes, avec les autorités de la ville. On comprend que à Dosso, il y a des heures où il faut pas trop s'aventurer dehors. Et aussi, c'est tellement grave que tu peux fermer ta maison, tu reviens, il n'y a plus rien. Vraiment, c'est pas. Genre, c'est pas un fait. C'est pas un fait sur lequel on peut fermer les yeux voilà, c'est pas un fait sur lequel on peut fermer les yeux, ça prend, ça prend de l'ampleur et la jeunesse est concernée, elle est touchée. Il va vraiment falloir trouver comment gérer cette situation. Et ça sera demain avec Aboki Aikina Dondi. Avec lui, il sera question des conséquences et des mesures. Nous étions censés être avec la police dans cette fada, mais ils n'ont pas répondu à l'appel. Ça aurait été très intéressant d'avoir euh, la, police dans cette fada. Mais bon, on fait euh, comme on peut. Mais il faut en parler quand même. N'oubliez pas de vous abonner à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 à 54 pour participer à nos émissions et recevoir nos contenus. Kada commenter. kuna iya shuraren wannan shirye-shiryen namu kuma aiko e mana tambayoyinku a bisa kallon bamu ta WhatsApp 80 06 88 54 sai mu ƙara haɗuwa Aminu ku ta kullum Rabi Mai Kano.